Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour d'abord de l'assassinat d'un enseignant dans le département de Bouza, région de Tawa. Ensuite, euh, du retrait du Mali de tous les organes et instances euh, du G5 Sahel, y compris de la force conjointe anti-djihadiste. L'actualité, c'est aussi la dégradation ces derniers jours euh, de la situation sécuritaire dans la région de Tilaberi. Et à la fin, nous parlerons sur la ruée vers l'or dans la ville d'Agadez, mais aussi dans la commune de Dakoro. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Ousmane Sidikou, bonsoir. Hassan Boukar, euh, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Et Garé Amadou, euh, journaliste euh, au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse euh, de ce vendredi 20 mai 2022 par le drame euh, qui s'est déroulé dans le département de Bouza, région de Tawa. Un enseignant a été mortellement poignardé par un de ses élèves de 12 ans en classe de CM2 lundi 16 mai 2022 à Guidan Alami et dans la commune de Baban Katami. Suite à cette euh, tragédie, le collectif des enseignants de Bouza a suspendu les cours pour deux jours les 17 et 18 mai afin de dénoncer le climat d'insécurité qui règne dans la zone. On va commencer avec vous, Hassan Boukar, un enseignant poignardé à mort par son élève. Quel commentaire ce drame suscite en vous Merci Mokhtar. C'est quelque chose de très choquant qui arrive à Bouza mais au stade actuel, c'est surtout les questions. Je m'interroge beaucoup, je me pose beaucoup de questions sans forcément avoir les réponses. Alors, euh, l'enseignant, c'est avant tout l'autorité. Et donc, euh, l'autorité à l'endroit de ses élèves, les respecter, les élèves se soumettent à lui, qu'il soit euh, poignardé mortellement par un élève, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et donc, du coup, on s'est dit, mais comment est-ce que c'est arrivé Oui, comment est-ce que c'est arrivé Qu'est-ce qui pourrait euh, pousser un enfant de 12 ans à tuer voilà. Malheureusement, on n'a pas forcément les réponses à ces questions-là. J'ai entendu beaucoup de commentaires, des commentaires selon lesquels euh, l'enseignant aurait demandé à l'élève <coughs> d'avoir une meilleure tenue. Apparemment, elle était, s'était présentée dans une tenue qui n'était pas présentable. Donc il devait aller euh, changer sa tenue, venir, être un peu plus présentable. J'ai entendu d'autres commentaires, mais au fond, les gens tentent de l'expliquer, mais rien ne justifie. Donc ça pose extrêmement des questions. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a des signes qui laissaient croire que quelque chose comme ça pourrait arriver est-ce que ça a été une surprise pour tout le monde En fait, quand je parle de signes, est-ce que l'enfant est dérangé, par exemple Est-ce qu'il y a quelque chose dans ses attitudes qui les singularise vis-à-vis de ses collègues et qui fait qu'il puisse poser un acte euh, aussi, aussi grave C'est la question que je me pose. Est-ce que dans l'environnement où il est, à l'école, là où ils sont, est-ce qu'il y a d'autres actes de violence qui laissent croire qu'on peut passer même à un niveau extrême jusqu'à donner la mort Est-ce que l'enfant évolue dans un environnement violent, à même d'avoir... Euh, euh, des conséquences sur son comportement à, l'école. Est-ce qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'imprévisible, d'un cas totalement isolé C'est des questions... Voilà. Est-ce que d'autres enseignants ont été victimes de d'autres cas de violence, même si ce n'est pas mortel. Une violence d'un élève et de surcroît de l'école primaire, c'est des enfants les écoles de primaire, euh, à l'école primaire. Un enfant qui s'en prend à un adulte de surcroît son enseignant, est-ce qu'il y a à Bouza ou dans l'environnement des cas pareils qui laissent croire qu'il y a des signes de violence. Donc, à mon niveau, c'est beaucoup plus de questions parce que si on veut agir, si on veut, j'écoute un peu le discours des enseignants qui demandent protection à juste titre. À juste titre. Protection, comment ça doit se faire Mais évidemment, pour le faire, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a vraiment euh, un environnement violent qui fait que chaque enseignant est exposé à ça Est-ce que c'est vraiment un cas isolé et comme on le dit, qui est arrivé vraiment sans que personne ne s'y attende. Donc, si on arrive à trouver les bonnes réponses, peut-être que ça permet de prendre des mesures pour protéger les enseignants à l'avenir. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas compris. Protéger les enseignants comment Placer euh, des forces de défense et de sécurité derrière chaque enseignant Non, non, non, ça, dépend de... Mais qu'est-ce qui est arrivé C'est-à-dire que pourquoi c'est arrivé Est-ce que d'autres enseignants sont exposés bah, Imaginez, moi je pensais par exemple à un moment euh, dans la ville de Difa, vous avez un peu ce phénomène de FADA mhm. qui fait que des jeunes. Il faut expliquer le phénomène de FADA. Alors, c'est des groupements des jeunes. Des qui jeunes est adolescents un peu, des jeunes adolescents. Alors, on parle de palais, de fada. Euh, on a connu un peu ce phénomène, notamment à Zander. je crois qu'il y a un film euh, qui explique un peu comment ça se passe. Alors, dans la ville de Difa, un moment. des jeunes violents. Tout à fait. Euh, des jeunes qui sont ensemble et qui s'affrontent aux armes blanches, qui sèment la terreur dans leur environnement, qui font peur aux gens autour d'eux. Alors je me dis, un enfant qui grandit dans cet environnement peut développer aussi des attitudes violentes parce que l'environnement s'y prête. Il apprend des choses qu'il ne sait pas faire. Donc, quand je parle de protéger, est-ce qu'il y a un environnement comme ça Si vous avez un tel environnement, forcément, il y a quelque chose à faire par le, par le pouvoir public. Mais tout cela, c'est aussi longtemps qu'on n'aura pas connu comment cela est arrivé, ça, reste à la limite des spéculations. C'est bien de connaître comment un élève qui est soumis à un enseignant a osé prendre une arme blanche et porter un coup mortel à son maître. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare, d'extrêmement grave aussi, qui fait qu'il faut forcément faire une enquête et donner une suite à ça. Malheureusement, euh, c'est un pays où, quand on dit enquête, c'est pour, c'est pour calmer les, les, les, esprits et le temps d'oublier, mais il faut forcément faire une enquête pour savoir est-ce que il y a des signes qui ont que ça pouvait arriver. Est-ce que d'autres enseignants sont exposés Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose face auquel le pouvoir public doit prendre des mesures Gary Amadou, euh, selon les premières informations, tout est parti euh, d'une euh, dispute entre l'enseignant et l'élève qui n'aurait pas apprécié certains propos tenus à son égard. Les témoignages rapportent qu'il aurait soigneusement caché le couteau dans son sac et c'est en plein cours qu'il est passé à l'acte. Avez-vous d'autres informations au sujet de ce drame, Gary Oui, ce, qu'on a appris, c'est que d'abord l'élève en question, c'est le, fils du président du COGES de l'école. Ça déjà, c'est un détail. Deuxième chose, l'élève était, comme l'a dit Abba, il était venu à l'école avec un accoutrement, avec pratiquement des bijoux féminins, c'est-à-dire que des bijoux, des bagues et tout. tout. Et l'enseignant lui a dit non, ça c'est pas un comportement d'homme. Il dit tu vas aller te changer. Il est parti à la maison en pleurant. Ça c'est les voisins qui parlent. Il est parti et il a menti au papa. Il dit que non, l'enseignant l'a frappé. Le papa a enlevé tous les bijoux. Il a dit de retourner à l'école. Maintenant, entre-temps, le temps d'enlever les bijoux, il est rentré dans la chambre. Il ne savait pas, il a pris un couteau. Et quand il est rentré dans la classe, l'enseignant était accroupi en train d'écrire. Dès qu'il est rentré là, il a foncé sur lui, il lui a mis le, couteau. Malheureusement, il l'a eu en plein cœur. Je ne suis pas sûr que l'enfant sait où se trouve le cœur, mais il lui a mis en plein cœur. Et donc, pratiquement, une circonstance encore aggravante de, de, de la situation, c'est qu'il n'y avait pas de réseau à plus forte raison, appeler les, secours pour qu'on puisse venir le prendre à temps. Finalement, il s'est vidé de son sang, en fait. Donc, quand les, secours sont venus, il était déjà mort. Donc, et l'enfant, il paraît qu'il s'est mis à pleurer. Après l'acte. Oui, il y a deux choses. Soit c'est un enfant qui est mal éduqué par ses parents, soit il y a eu un coup de folie, ou, comme l'a dit Abba, l'influence d'autres jeunes, aujourd'hui avec les smartphones, avec les vidéos, les films violents qu'on voit, tout peut arriver. Mais il faut aussi qu'on relative. C'est la première fois dans l'histoire du Niger qu'on a une histoire où un élève d'école primaire tue son enseignant. Moi, je ne me souviens pas d'une autre histoire. Mais il y, a eu quand même des actes de violence à, à l'égard des enseignants. Il y a des actes, il y a des actes, il y a des élèves de CM2 qui menacent pratiquement leurs enseignants. C'est-à-dire, euh, euh, euh, il y en a qui leur dit des mots pas gentils du tout, mais c'est manque de respect, un manque, de, respect et quelqu'un qui, passe à un acte. Seulement, je suis d'accord que, mais la limite entre le manque de respect et la violence, elle est très étroite là bas. Il faut faire extrêmement attention parce que à partir du manque de respect, la violence peut, aboutir. Mm. Donc, c'est pourquoi je ne dissocie pas les deux. Mais, cette affaire, elle soulève la question, j'ai dit, de l'éducation parentale. Parce que pour qu'un élève se croit que un enseignant, on peut lui mettre le couteau, le tuer, il faut qu'il soit suffisamment mal éduqué parce que ce n'est pas tous les enfants qui se comportent oui, comme mais ça. Gary Amadou, au temps du, châtiment corporel, est-ce qu'un élève peut euh, quand même imaginer euh, ce genre d'actes Mais je vous dis que tout ce problème-là, il y, y a, plusieurs facteurs qui ont fait ça. Nous, on a suivi le châtiment corporel. Heureusement, Heureusement. Non, Pour vous. Non, on est fiers d'avoir subi le châtiment corporel à l'école. On nous tapait sur les mains, on nous tapait sur les. On était. Mais ça nous a servi. Mais, ce n'est peut-être pas la. C'est pas, ça la raison, peut-être. La, réponse. Vous, aurez la parole. Non, c'est-à-dire que nous, nous, on a subi le châtiment corporel. Vous savez, on a enlevé le châtiment corporel. N'est-ce pas Et l'élève se sentit dans une situation où il a une, une certaine puissance. Parce qu'aujourd'hui, le maître ne peut plus poser la main sur lui. Il le sait, lui-même, il le sait c'est, les élèves le savent. C'est une défaillance selon vous Non, c'est une défaillance. Du système Non, c'est une défaillance du système parce que nous, c'est avec ça qu'on nous a formés. Deuxième chose, et c'est là où la responsabilité de l'État, elle est flagrante. On voit depuis longtemps, je ne sais pas si c'est un enseignant titulaire ou c'est un contractuel, depuis longtemps, une sorte de, de pression sur les enseignants. Aujourd'hui, il n'y a pas un corps qui souffre plus que le corps des enseignants. Je le dis et je le répète les enseignants ont fait le mois de Ramadan. Moi, j'ai dit sur les antennes, j'ai dit non, quand le mois de Ramadan arrive, de grâce, ces enseignantes-là, parce qu'elles sont plus nombreuses, qui descendent à l'école, il faut qu'elles partent préparer là. Faites-leur une journée continue. Faites en sorte qu'à chaque Ramadan, là, quand le Ramadan vient, que les enseignantes aient une journée continue. Comme ça, elles font une descente, elles ont le temps, puisqu'elles elles jeûnent, de s'occuper de leur famille. Non, non. Elles, elles, vont, elles descendent, elles vont quatre fois par jour. On ne leur a pas fait ça vous avez Je veux dire, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on tente d'expliquer par le fait qu'on ait aboli le, le, châtiment, corporel. Ce n'est pas la réponse euh, magique à tous les maux de l'école, hein, le châtiment corporel. Il y a un moment, comme Garel le dit, euh, où ça existait à l'école. Il y a des raisons pour lesquelles on est arrivé à suspendre le châtiment corporel. Mais en fait, au-delà, même sans le châtiment corporel, le fait qu'un élève décide quel que soit le problème qu'elle a avec un ancien, ou de manquer de respect à l'ancien, ou de, de passer à un acte d'aller chercher un couteau et de l'enfant. C'est quand même un acte totalement... Euh, c'est vraiment, on a du mal à l'imaginer, quoi, en fait. Donc, je pense que même sans le châtiment corporel, quelque chose comme ça arrive, c'est quand même quelque chose de, totalement choquant. Et on a vraiment du mal à l'expliquer pour l'instant. En tout cas, pour moi, c'est difficile à expliquer. Ousmane Sidikou, euh, dans la région d'Ottawa, plusieurs euh, cas euh, de violence contre des enseignants ont été déjà rapportés. Comment faire pour éventuellement prévenir ce genre de tragédie Merci Mokhtar. De prime abord, on ne peut que regretter et condamner un tel acte de barbarie qui plus est venant d'un adolescent. Donc, euh, paix à l'âme de, l'enseignant, puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. Amen. Justement, euh, il faudrait que nous établissions ou bien que nous dressions une échelle vraiment de responsabilité. De, dans un premier temps, là. si bien dit, vraiment, il y a euh, un échec ou bien disons une démission des parents. Parce qu'il est clair et évident que quand vous ne voulez pas que votre enfant pleure, vous allez pleurer à sa place. Aujourd'hui, il y a une démission des parents dans l'éducation même de leurs enfants. Parce que eh, tous ici, eh, ayons souvenance au primaire, rien qu'à la vue de l'enseignant, combien nous étions tétanisés. Même si vous jouez, c'est-à-dire vous vous arrêtez, c'est-à-dire rien qu'à la vue, hein, à la limite c'est même c'est des larmes parce que l'enseignant incarnait vraiment euh, l'autorité, l'autorité. Donc vraiment qu'on en arrive aujourd'hui, l'enseignant est venu devenu ce qu'il est. Vraiment, il y a la démission des parents dans l'éducation de leurs enfants. Il y a aussi la part de responsabilité des, des enseignants eux-mêmes d'abord. Mhm. C'est-à-dire eux, c'est-à-dire l'enfant, l'enfant, c'est-à-dire euh, l'enfant, il est émotif, l'enfant, il est vraiment, il a une, telle sensibilité, il y a une marge vraiment qui doit exister entre l'élève et l'enseignant. C'est-à-dire aux enseignants d'avoir cette attitude, il y a des choses qui sont, ça n'excuse pas le comportement mm, des enfants, mais voilà, il y a des propos qui, vraiment, quand vous les proférez, l'enfant peut être vraiment eh, choqué, blessé. Donc, du coup, de celles ce qu'il pourrait advenir. Donc, aux, enseignants vraiment d'avoir euh, une attitude responsable, à de ne pas tenir certains propos à l'égard des enfants, de ne, voir que de ne pas voir que ce sont des adolescents. Non, vraiment, c'est d'avoir des propos responsables. La, la démission de, de, de l'État. Aujourd'hui, la suspension, ah ben, l'a dit, c'est vrai, le retrait ou bien la suspension du châtiment corporel euh, ne pourrait, ou ne, ne peut pas régler tout le problème. Mais moi, je pense que l'État se doit de prendre les responsabilités. Aussi bien les inspections, comment ça s'appelle, c'est là où j'interpelle aussi encore les enseignants. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons vraiment dans les écoles, vous allez voir euh, un enfant il peut quitter une localité, d'une localité à une autre, Abla, ah, si vient, il peut être l'environnement qu'il a quitté, c'est un environnement vraiment, excusez-moi terme, violent, pourri. Il vient dans un autre environnement qui plus à un certain âge, 15 ans, je prends un exemple au pif comme ça, 15 ans, au CM2, il peut avoir des élèves de 12 ans, 13 ans qui sont facilement influençables par le mauvais comportement. Il, a quand même 12 euh, ans. D'accord, j'ai dit 12 ans. mais quand même, Dieu seul mm-hmm. c'est un mineur, mais l'environnement, ça, ça, ça, compte vraiment aux enseignants d'être trop regardants, de ne pas euh, vraiment accepter que des enfants leur soient amenés, vraiment de, de mener des investissements Il ne faudrait pas qu'on leur amène entre, entre leurs tueurs. Donc vraiment, les responsabilités sont à partager et que chacun s'assume. Vraiment, il ne faudrait pas que nous continuions à assister à de telles euh, souvenances, même si ce n'est pas un enseignant à Agadez, ça fait pas longtemps, où un enfant a à la limite poignardé son papa. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer Certains pensent que c'est la consommation des stupéfiants. Je me dis que c'est pas une excuse. Vraiment, les responsabilités sont à partager et chacun se doit de jouer sa partition. Merci, Ousmane coup, On observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Dans un communiqué publié dimanche 15 mai, les autorités maliennes ont annoncé s'est retiré de tous les organes et instances euh, du G5 euh, Sahel, y compris de la force euh, conjointe anti-djihadiste. Avec ce retrait, Bamako proteste contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale. Gary Amadou, quelle lecture faites-vous de cette décision des autorités maliennes Est-ce que c'était prévisible ou une surprise total Non, c'était c'était pas du tout prévisible. Vous savez, on ne peut pas diriger un État avec de la passion. C'est-à-dire Il faut avoir un, un, sens élevé de la responsabilité, ne pas être dans l'émotion. J'ai l'impression que les autorités maliennes, elles posent des actes pour répondre, en tout cas pour être applaudies par une foule qui est derrière eux. C'est ce que j'ai. du populisme, vous voulez dire Non, c'est trop populiste. C'est-à-dire, c'est trop. Il faut faire attention. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas engager votre pays vous qui êtes dans une transition qui est appelée à finir, vous ne pouvez pas engager votre pays dans une, impasse de, de ce genre. C'est très dangereux, leur attitude. Le G5 Sahel demande 400 et quelques millions d'euros, disons 500 millions d'euros pour pouvoir fonctionner. Les pays occidentaux qui ont participé à la création du G5 Sahel refusent de financer. On n'arrive pas à avoir ce financement-là. Mais dès que la Russie envahit l'Ukraine, on convoque une réunion. 6 milliards d'euros mobilisés pour l'Ukraine. Pour, pour l'Ukraine. À partir de ce moment-là, moi je me dis, tous les chefs d'État doivent tirer la conclusion. Mais écoutez, peut-on continuer à faire vivre quelque chose qui ne vit pas C'est pourquoi je pense que le G5 Sahel est mort avec la sortie du Mali. Il est mort parce que le G5 Sahel est composé de 5 pays. Si le Mali se retire, c'est un fait. Même si c'est des autorités de transition, c'est un fait. Mais le G5 Sahel, c'est fini, c'est terminé. Et donc, c'est pourquoi je crois que le, nos présidents sont en train, en tout cas, d'entrevoir la possibilité, ou plutôt d'aller dans le sillon de la coopération bilatérale en matière militaire. Vous savez, comme les opérations que le Niger et le Burkina ont menées, opération Tali 1, Tali 2, Tali 3, les opérations entre les deux armées, avec les deux armées, et qui a permis d'obtenir des résultats. Il faut aller dans, dans ce sens-là. Mutualiser les efforts. Mais puisque les Occidentaux ne veulent pas financer le G5 Sahel, c'est une réalité, hein. C'est pas que c'est des choses. Non, non, non. 500, à peu près 500, millions, d'euros, on va me dire qu'on a, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? alors qu'ils ont participé à la création de, de cette chose-là. Donc ça veut dire qu'il y a une hypocrisie de la communauté internationale. Et si la communauté internationale est hypocrite, prenez vos responsabilités. Et moi je me dis, même si je ne suis pas d'accord avec la sortie du Mali, moi j'aurais préféré que le G5 Sahel, que les pays maintiennent cette structure, mais qu'ils comptent sur leurs propres moyens, au lieu d'attendre toujours la main des, des occidentaux, j'aurais voulu qu'elles soit soient Mais maintenant, quand cela ne tienne, le Mali s'est retiré, eh bien c'est la fin du G5 Sahel. Trouvons une autre alternative, c'est tout point. Ousmane Sidikou, initialement prévu en février 2022, une conférence des chefs d'État des pays membres euh, du G5 devait consacrer le début de la présidence malienne euh, de l'instance Or, euh, près d'un trimestre, cette euh, conférence ne s'est toujours pas tenue, euh, dit le communiqué du gouvernement malien. Quelle est votre opinion à ce sujet Vous savez, Mokhtar, hein, le G5 Sahel, <clears throat> le Mali se trouve être même le justificatif de, ce, G5 Sahel. Maintenant, avec son, retrait, c'est une rupture même de l'occupation territoriale de, de cette instance. Ça, c'est un. Secondo, les pays membres, hein, chacun, hein, c'est en fonction euh, du mieux qu'il peut, a voulu ou bien croyait tirer le dividende en fonction de, de, de, de, sa potion et de la situation sécuritaire au Mali. Troisièmement, avec ce retrait, euh, moi je pense que euh, le Mali euh, je n'excuse, bon, je ne peux pas dire qu'ils ont tort ou ils ont raison. Euh, surtout ces autorités, elles ont raison ou elles ont tort. Mais je pense que euh, à travers un tel retrait, c'est faire chapeauter vraiment la responsabilité euh, au, au, Tchad. Parce que pour beaucoup, ce qui ne s'explique pas, c'est le refus du Tchad à passer le relais euh, quant à cette présence tournante du g Il dit aussi du mois où euh, chaque année il paye 400 millions de francs. Ça c'est un deux deux, c'est-à-dire tous deux, c'est-à-dire ils, sont, deux pays euh, qui sont en, en transition, Tchad et Mali, donc chacun n'a pas de, de, de, leçon, de morale à donner à l'autre. L'un de l'autre vraiment, les autorités maliennes ont pensé que vraiment le Tchad a, ou bien les autorités tchadiennes ont franchi le Rubicon, donc elles ont euh, vraiment toute la responsabilité de ce retrait, mais je pense que euh, avec ce retrait-là, euh, il faut vraiment appréhender les choses. Il faut pas jouer les oiseaux de mauvais goût. Déjà, Garé l'a dit, c'est une organisation qui peine à, se maintenir. à se maintenir. Maintenant, avec ce retrait-là, que vraiment les différents chefs d'État de ce pays-là trouvent les mécanismes savants à travers lesquels ils vont mutualiser les euh, leurs efforts à travers des opérations conjointement euh, menées qui, qui, ont porté le fruit dans le cadre vraiment de la sécurisation euh, des personnes et de la préservation de l'intégrité territoriale de leurs pays respectifs. Mais je, je dis que ce n'est pas sans conséquence, il n'est jamais trop tard. Peut-être que les autorités tchadiennes reviendront à de meilleurs sentiments, qu'ils reviennent sur la table de négociation, euh, moi, je ne vois pas d'inconvénient à passer. Le... C'est vraiment pour beaucoup cette attitude des autorités. Mais, les, autorités maliennes disent qu'il y a certaines puissances derrière euh, cette affaire. Justement, parce que le CAD a, servi en quelque sorte de tremplin, notamment dans la crise. De... Vous avez vu euh, le, actuellement ce qui se passe au CAD avec les manifestations, surtout le, le, truc, le développement de, de trucs anti-français. Moi, je pense que les autorités tchadiennes ont tout toutes les raisons de revenir sur leur décision. Qui plus est, même dans le cadre des, trucs d'opération, là, le MINUSMA et le truc de G5, ils ont des, relations. et même des, armées ou bien des troupes. Donc, moi, à l'instar de beaucoup d'autres observateurs, euh, ça ne s'explique pas l'attitude des autorités qui cadiennes à ne pas laisser la main dans le cadre de cette Merci, beaucoup, Ousmane Sidoukou. Hassan Boukara, quelles seront les conséquences de ce retrait Bon, les conséquences, je pense que <clears throat> euh, Sidoukou et Garé l'ont dit. Bon, euh, c'est finalement est-ce qu'on pourra maintenir ce, groupe-là Le président Bazoum a déjà dit qu'il est mort, hein, donc euh, 5 ça, il est mort. La, France, a, a, qui est quand même derrière cette institution, la France l'a initié en réunissant cinq de ses anciennes colonies, faire un groupe, essayer de mobiliser certains pays européens pour financer ce groupe-là, mais aussi éventuellement obtenir un financement des Nations Unies. Ni l'un ni l'autre n'a marché. Je pense que de son vivant, le président Déby avait rappelé aussi à ce que Gary disait il y a un instant. Il dit toutes les promesses euh, qui ont été faites n'ont jamais dépassé le stade de promesse. Il n'y a pas eu de, de, financement. Maintenant, la leçon pour les pays sahéliens, c'est que personne ne viendra financer la guerre à leur nom. C'est à eux de se débrouiller. deuxièmement, les Maliens le disent, mais d'autres pays aussi le disent. C'est-à-dire que le fait que cette initiative vienne de la France, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le G5 n'a pas obtenu le financement des Nations Unies. Les Américains l'ont toujours bloqué en considérant que euh, si on finançait le G5, ce qui tirerait les profits, c'est d'abord les Français, parce que ce seront eux qui l'auraient initié. Euh, eux, ils préfèrent les relations bilatérales. Euh, on dit, bon, voilà, il, donne, il appuie quand même le Mali, il appuie le Niger. Donc, ils préfèrent ce mode de financement que de le donner à travers une institution créée par, par la France. C'est peut-être une des raisons qui fait aussi que des pays comme l'Algérie, comme le Nigeria, qui auraient contribué à cette force, n'ont jamais intégré le G5 Sahel. Donc finalement, la France l'a tenté, ça n'a pas marché. Et pour les Maliens, c'est facile de quitter le G5. Hein. Barkhane était plus actif que le G5. En quittant le G5, je me demande qu'est-ce qui change véritablement pour le Mali. Sur le terrain, je n'ai pas vu de preuves selon lesquelles l'absence du G5 perturberait les choses. C'est à la limite un cadre d'échange entre pays. Ils peuvent échanger les renseignements, ils peuvent discuter, mais s'il n'y a pas les ressources, et ils n'ont jamais eu les ressources, le G5, ils peuvent facilement les quitter. Et euh, comme Sidoukou l'a expliqué, je ne vois aucune différence entre les autorités de Bamako et de en termes de légitimité. C'est des gens qui ont forcé des pays, ils ont forcé leur installation sur le fauteuil présidentiel. La différence, c'est que N'Djamena, les Français considèrent que c'est un bon coup de force. Et l'autre côté. Les, Maliens, c'est le mauvais exemple. Et donc, du coup, quand ils disent il y a des puissances étrangères derrière, ils sont en train de dire euh, le fils d'Ebi Macron est quand même venu à N'Djamena pour l'installer sur le fauteuil. Les Maliens, ils ont osé renvoyer l'ambassadeur français. Ce n'est pas la même chose. Donc, du coup, quelqu'un qui ose un coup de force, qui prend un régime presque de façon clanique, presque de façon familiale, qui s'installe sur le fauteuil de son papa, et beaucoup plus respectable que quelqu'un qui fait un coup d'État. C'est un peu ça le message et apparemment c'est qui refuse. Oui, rapidement, Gary. C'est ce que je voulais dire en fait. Moi, je ne veux pas aller même dans les, autres considérations. Le coup d'État, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas. Non, moi je reste sur le fait que le G5 Sahel, en réalité, il ne sert à rien. Le Sahel, c'est pas l'Ukraine. Malheureusement, si le Sahel c'était l'Ukraine, on aurait eu de l'argent pour faire pour, pour, le G5 Sahel. Malheureusement, le, le Sahel ne fait pas partie de l'Europe. Et on voit bien l'hypocrisie internationale, je le répète. Et donc, à partir du moment où, est-ce que vous avez entendu une opération menée par les éléments du G5 Sahel sur le plan de la lutte contre le terrorisme Non, c'est un machin, ça ne sert à rien du tout. C'est juste, ça dit que c'est une sorte d'instrument qui a été créé pour servir de faire semblant ou de prétexte, mais qui ne sert en réalité à rien du tout. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, écoutez, arrêtez et allez-y vers la coopération bilatérale. Merci Gary Amoudou, on observe une courte pause. La situation sécuritaire à Tilaberi demeure instable et 12 départements sur les 13 qui comptent la région, à l'exception de Kolo, sont sous état d'urgence. Depuis quelques semaines, une recrudescence euh, de violences et ou attaques de grande ampleur euh, contre les populations civiles ont été enregistrées. Cette situation a provoqué un déplacement massif des populations vers diverses euh, destination. Ousmane Sidikou, les populations civiles sont de plus en plus exposées à des nouvelles stratégies adoptées par les groupes armés non étatiques telles que des sommations de quitter leur village ou l'utilisation d'engins explosifs improvisés sur les principaux axes routiers. Qu'est-ce qui expliquerait cette nouvelle stratégie Merci Mokhtar. Je pense qu'en ce moment, surtout les députés, euh, spécifiquement ceux de la région de Tilabiri qui ont voté, et j'espère qu'en ce moment, cela pourrait faire tilt dans leur tête pour avoir voté et faire passer comme lettre à la poste le récent euh, vote-là, le, le redéploiement, de, Parce que euh, parallèlement au moment où il y a ces redéploiements, ces groupes armés non étatiques procèdent à un nouveau mode opératoire, c'est-à-dire de sommer les villages à quitter les lieux et dans un, dans un délai relativement court. y a l'approche aussi de la campagne ah, agricole. Absolument, Mokhtar. Donc, ça pose véritablement euh, le problème. Est-ce que euh, maintenant, en sommant ces populations-là, même si nous entendons de part et d'autre que les FD sont déployés pour aller les sécuriser, mais ça n'a pas le porté. Constat sur le, terrain. le constat sur le terrain est tout autre. Et à l'instant, euh, ils sont combien ces, ces, ces, elles sont combien ces localités-là sommées de, de guerre Vous l'avez si bien dit, à l'approche de la saison n'est plus. Donc, je pense que euh, c'est vraiment un coup dur pour ces populations-là qui ont assez enduré, qui ont assez payé vraiment le prix fort. elles continuent de souffrir dans leur chair et leur âme vraiment les actes que sont en train de perpétrer ces, ces groupes armés non étatiques. On ne peut que déplorer, on ne peut que condamner. Donc vivement que de la même façon que ces groupes-là ont revu leur mode opératoire, les autorités en face euh, de même pour vraiment voir euh, les conditions ou bien les mécanismes à travers lesquels on va euh, vraiment tendre alléger vers Alléger leur souffrance. alléger les souffrances, ne serait-ce que vraiment à la préservation de l'intégrité territoriale et de ces mêmes personnes, tout comme leurs biens. Sinon, vraiment, c'est déplorable. Prions que vraiment les mesures les plus adéquates et idoines puissent être trouvées dans un délai très court pour soulager vraiment ces populations qui non assez, qui n'ont fait que payer vraiment le lot tribut euh, de ces différentes attaques euh, perpétrées à leur euh, endroit. Hassan Boukar, le plus souvent, ces violences sont accompagnées par des vols, des pillages de ressources et de bétail aggravant ainsi la vulnérabilité de ces populations. Euh, quelle est l'ampleur euh, de cette euh, situation je pense que ce qui a changé, c'est peut-être l'intensité avec laquelle aujourd'hui on voit ce, type d'action. Sinon, au début des attaques déjà, hein, il y avait des pillages, des deviennent des personnes, les bétails emportés, des villages auxquels on donne un ultimatum. Ça a déjà existé autour de Wallam et tout ça, là, on l'a déjà entendu. mais, voilà, mais on a l'impression que maintenant ça a un peu évolué. Voilà, il y a une reconnaissance. beaucoup plus, Voilà, beaucoup plus d'intensité. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'est lié euh, à cette zone entre le Niger et le Burkina Est-ce qu'on veut peut-être tuer finalement les va-et-vient des personnes dans cette zone Ils veulent peut-être occuper, ils veulent occuper davantage le terrain, puisque là on voit que maintenant ils évoluent vers le Bénin euh, à partir de là où ils sont. Est-ce qu'il y a peut-être pour eux un enjeu territorial de vouloir intensifier, de vider les etc. Est-ce qu'il y a ça mais l'autre chose, je pense que Peut-être que de ce point de vue, la situation du Mali, ça va impacter les autres pays. C'est-à-dire la situation du Mali, comment ça C'est-à-dire que la situation du Mali aujourd'hui, euh, le Niger, par exemple, euh, considère que les autorités maliennes ne sont pas fréquentables. C'est un peu ce qu'on entend dans les discours officiels. Or, on a quand même besoin d'une coopération, de parler avec, aussi défaillants soient-ils, c'est quand même eux qui règnent à Bamako. Ils ont fait un choix qui est le leur de dire on va associer ou, des gens de, de, de, de Russie ou c'est Wagner pour faire, parce qu'on se considère que c'est vraiment le choix des Maliens. À mon avis, l'erreur que le Niger commet, c'est après les Français de dire ils sont pas fréquentables. Ça, c'est l'affaire du peuple malien. Sur la sécurité du Niger, si on peut aller libérer des terroristes, des gens qui ont probablement tué qui sont sous le coup de la justice, si on peut les libérer dans l'espoir de trouver la paix, on peut aussi discuter avec les autorités maliennes. C'est d'abord nous que ça concerne, pas les Français. C'est-à-dire qu'au niveau de la CDA aussi, un pays comme le Niger, peut dire, écoutez, moi je partage une longue frontière avec le Mali, le fait que euh, on écarte, on isole totalement le Mali en disant on ne veut plus parler avec eux, fait que, quels que soient les efforts du Niger, finalement, le Mali va être le territoire de ces groupes armés. À mon avis, il y a aussi des changements de stratégie à faire de ce point de vue. Euh, si vous parlez de passion, gérer un État, c'est pas comme entre des individus. On peut ne pas aimer les, les, les, les, les colonels de Bamako, mais les intérêts du Niger, s'il dicte au Niger de parler quand même avec ses autorités, le Niger, même au sein du de de la CDA, devait plaider un retour aujourd'hui du Mali à, à l'entente avec les autres de façon à lutter. Quels que soient les efforts qu'on va faire, on s'arrête sur nos frontières. Mais eux, ils sont là juste à côté parce que c'est un autre territoire. Et donc, à mon avis, il y a forcément des choses à faire de ce point de vue. Maintenant, l'arrivée de Barkhane, là, quelqu'un l'a évoqué. Euh, on nous a dit, ben, les gens ont dit, ben, ils ne sont pas efficaces, on ne les a pas vus. La, réponse du gouvernement, c'est de dire, avant, il était là juste pour nous donner des renseignements. C'est maintenant qu'il faut les juger. Eh bien, il faut qu'ils prouvent que leur présence change quelque chose. Si ça ne change pas, ça donnerait totalement tort, à la fois au Parlement qui a autorisé euh, cette demande du gouvernement, mais aussi au gouvernement. Gary Amadou, quelles euh, conséquences pourrait engendrer ce déplacement de population Non, c'est très simple. Vous savez, les djihadistes, même l'année dernière, il y avait des menaces contre les paysans qui voulaient cultiver leurs champs. En fait, ce que j'ai compris d'après les explications que j'ai eues, c'est que quand les paysans cultivent leurs champs, ça, un peu, ça, perturbe la dynamique des terroristes. Ils veulent pas voir les, cultures de chats. Deuxième chose, peut-être que les, ils sont acculés au niveau du Mali. Ils veulent se retrancher sur le territoire nigérien, en tout cas vers la zone de trois frontières, pour créer des sanctuaires dans le but bien sûr de s'épandre dans les autres régions. Mais vous savez, le problème des autorités maliennes, c'est pas que en réalité les pays ne veulent pas coopérer avec les autorités maliennes. Non, ce qui est un détail qui est important. Les autorités maliennes sont aujourd'hui liées à un groupe qui est un peu limite sur le respect des droits de l'homme en matière d'opération militaire. J'appelle le groupe Wagner, le groupe Wagner. Donc, à partir de ce moment-là, si vous vous associez aux autorités maliennes, ce que vous allez vous associer à Wagner, ce que vous allez cautionner toutes les actions, parce qu'il y a des accusations graves de crimes contre l'humanité, notamment dans plusieurs, euh, en tout cas, villes, localités maliennes. Comment est-ce que vous pouvez vous associer aux autorités maliennes quand vous savez qu'elles-mêmes, aujourd'hui, elles sont liées sous le dos du contribuable malien On les paye grassement et on ne peut pas avoir de garantie en matière de respect des droits de l'homme avec Voilà tout le problème. Ils ont quand même. Entre les États et non, oui, mais. Oh, non, euh, vous n'avez pas, la parole, vous n'avez pas la parole, Parce que Parce qu'Abba dit que non, euh, euh, les autorités maliennes sont aujourd'hui considérées comme, comme des parias. Mais à juste titre, moi je me dis quelqu'un qui s'associe à un groupe qui est vraiment un peu. Qui, qui, en matière de respect des droits de l'homme qui n'est pas du tout fréquentable, mais je me dis, on, a vu, on a vu la Barkhane qui tirait sur des populations civiles, notamment à Bounti, dans beaucoup de localités. Ils ont commis des bavures aussi. Oui, non, ça c'est des, oui, ça c'est des bavures. Et encore, c'est des bavures qui sont, attention, non, attends, je vais finir. Par rapport à Bounti, mais écoutez, il y a plusieurs versions. Vous savez, il y a des gens qui disent que c'est les terroristes qui sont venus à un mariage. Non, attendez, je vais finir d'abord. Ah, ils ont quand même fini par comprendre leur erreur. Ils ont dit qu'ils ont, fait, ils ont dit que, en tout cas, apparemment les enquêtes, parce que l'ONU aussi a mené des enquêtes, elle dit que c'est un mariage. Ils ont dit que à la base des éléments qu'ils ont là, c'était pas un mariage, c'était des gens armés qui étaient venus à moto. Ah, mais ça... c'est autre... Mais c'est pas ça le problème. Le problème principal aujourd'hui, les autorités maliennes sont liées à Wagner et Wagner est jugé comme préfécantable. Nous, nous, au Niger, l'essentiel, l'essentiel c'est, c'est, la question. Non, c'est pas une question. Il y a des normes. Il y a des normes. Non, c'est dans, non, c'est le monde. Ils ont une mauvaise réputation. Merci, Gary. Ils ont une mauvaise réputation, c'est connu ça. Hassan Boukar, Wagner a une mauvaise réputation. Gary, ce que je veux dire. En 30 secondes, rapidement. Ce que je veux dire, avant que Wagner arrive, qui était accusé de crimes de guerre d'avoir massacré les populations? C'est une à une chacune de nos armées l'armée du Niger, rappelé rappelez-vous de l'enquête de la CNDH, l'armée du Burkina. Ah, Nos propres armées sont accusées de massacrer les populations. Et donc, si Wagner arrive, les Occidentaux, c'est aussi euh, une question de, conflit géopolitique euh, face à la, à Non, non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, non, non, non, ce que je veux dire, on peut demander, on peut demander aux Maliens, justement, de contrôler, c'est eux qui les ont fait venir. Mais c'est le choix du peuple malien Wagner. Quelqu'un ne peut pas choisir à leur place. Mais, ah, merci, Gary Amadou. Merci Gary pas obligé. Mais si l'intérêt, si on pense merci à ce on observe une courte pause. Personne n'est obligé de autre aspect de ce forum de la presse relatif à la découverte la semaine dernière de nouveaux sites d'or dans la ville d'Agadez et dans la commune de Dakoro, région de Maradi. À Agadez, les autorités ont interdit toute exploitation d'or sur le territoire de la commune d'Agadez. La décision a été prise par arrêté du président du conseil municipal le 9 mai 2022. Dans la nuit du 12 au 13 mai, des milliers des de personnes ont passé la nuit à creuser des trous à quelques 2 km de la commune de Dakoro, région de Maradi. Euh, ces personnes estiment qu'il s'agit d'un nouveau site orifère. Les autorités administratives et municipales ont déjà pris des mesures pour sécuriser le site. Gariamadou, à Agadez, depuis le 8 mai 2022, c'était une ruée vers cette mine qui venait d'être découverte les gens affluaient de partout, notamment des villages environnants de la commune d'Agadez. Avez-vous d'autres informations au sujet du nouveau site d'or à Agadez et euh, à Dakoro Non, vraiment, je n'ai pas de, nouvelles informations. Tout ce que je sais, c'est que euh, les mines artisanales sont devenues très dangereuses parce qu'on a vu des accidents qui sont déroulés, notamment dans Issa à Maradi. Les mines artisanales ne répondent pas aux normes en matière d'extraction minière. Vous savez, les mines industrielles, même pour faire les, les, les comment on appelle, les tunnels, il y a tout un procédé, il y a toute une protection qu'on fait. C'est vrai que parfois, il y a des accidents comme ceux qui s'est passé au Burkina, où des millions ont été... Mais l'État doit aussi se soucier de la sécurité des personnes. Donc, quand ça commence là, avant que le drame n'arrive, il faut arrêter et réglementer. Mais c'est qu'il faut aussi, et, là où il faut faire attention, parce qu'on a vu à Danissa, l'État a fermé la mine, mais, mais la nuit... Les gens contournent. Non, la nuit, en complicité avec des FDS, des gens étaient employés pour extraire de l'or. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas que l'État règle un problème et elle ferme les yeux maintenant sur le comportement peu orthodoxe de certains éléments de FDS qui, la nuit, vont autoriser justement les gens de la population de Dagarez à venir exploiter pour leur donner une partie. Ça, il faut faire attention. Hassan Boukara, la mesure d'interdiction a créé une onde de choc à euh, printemps euh, chez les populations. Comment appréciez-vous euh, cette décision des autorités Bon, c'est normal quand vous dites qu'il y a de l'or au studio Kalangou, tout le monde va venir. Hein. <laughs> vous ne pouvez pas, on ne peut pas l'empêcher, c'est normal. Mais, ce, ce que ça exprime aussi, c'est que vous êtes un pays où beaucoup de gens sont désœuvrés. Ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de ressources. Et donc, quand vous dites qu'il y a de l'eau, chacun dit je tente ma chance. Donc, je pense que cette décision, elle va être difficile à être appliquée. Comme Garé l'a dit, euh, les, gens vont tenter par tous les moyens. Peut-être que d'autres pourront réussir à, passer outre là-dessus, mais en tout cas, les gens vont, vont, vont tenter. D'autres sites ont été découverts, on a mhm. fermé. Mais il faut bien aussi que le gouvernement communique bien sur ces choses-là, parce que les gens, dans un le temps... Il faut que le gouvernement communique comment, comment faisant. mais, mais, par exemple, les questions de sécurité déjà, etc. Mais sinon, vous découvrez de l'or, les gens veulent aller, vous dites, vous fermez. Bon, vous fermez, mais on a l'impression qu'il y en a quand même qui trichent et tout ça, là. Mm. Bon, bon, voilà, ça pose quand même des, pour moi, je, pense que ça va difficile à empêcher. Quand vous dites qu'il y a de l'or, les gens pensent que c'est l'eau. Surtout que les anciennes mines, avant qu'elles ne soient fermées dans la zone d'Agade, il y en a quand même qui ont gagné de l'argent. Tous les gens qui ont déjà essayé, qui sont rendus compte qu'ils ont, gagné de l'argent, ils vont continuer à aller. Même, à l'étranger, il y en a aujourd'hui qui partent dans le nord Mali, euh, sur des sites là où il y a l'or. Ousmane euh, cette interdiction nous rappelle euh, celle du site orifère de Diado, découvert en 2014, toujours dans la région fermé fermée en février 2017 pour des raisons sécuritaires. Euh, comment faire face ou surmonter les frustrations des populations vous savez, Mokhtar, l'or, c'est l'or. Hein. Donc, euh, vraiment, euh, comme <laughs> voilà, partout où on dit qu'il y a découverte d'or, il faut s'attendre forcément à une riée des gens. Hein. Mais ça ne sert à rien de vraiment de mettre des euh, des verrous, des, restrictions. et que euh, notamment des gens euh, censés assurer la protection ou bien veiller au respect de ces restrictions puissent être vraiment, comment on appelle, tenter et approcher à travers euh, des, des, des trucs de corruption. Avec, euh, justement, justement, parce que euh, ça n'a pas de sens. Je vois mal ces FDS là euh, enfreindre ces restrictions là sans que le préfet, le maire ou faut-il empêcher ou autoriser les populations, surtout les exploitants Les empêcher, on n'en peut pas parce que Abala a ah, bah, si bien dit aujourd'hui qu'on dise qu'à Kangalou il y a une découverte d'or, mais on va vous envahir, <laughs> à commencer par nous les invités. Donc vraiment, vraiment, il faut communiquer communiquer. et vraiment montrer à, la population que les mesures-là vont dans le sens euh, vraiment de leur, euh, de, de leur intérêt, de leur protection et vraiment trouver les mécanismes à travers lesquels euh, on peut permettre euh, quand même à ces populations, parce que quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas empêcher aux gens euh, de, de, de, de, faire cette Je le dis, je le maintiens. rapidement. Je, pense que Mokhtar, pour, les gens, hein, c'est ça la conception déjà, c'est une opportunité. Il y a de l'or, il n'y a pas de travail, on peut aller gagner un peu d'argent. Gagner. Regardez, regardez quand ça arrive. Il y en a qui gagnent rien qu'en allant vendre de l'eau sur des sites. Vous créez en fait toute une activité, toute une vie économique autour de ces mines. Si le gouvernement veut, il peut prendre des mesures pour un peu sécuriser la présence des gens sur des sites de façon à ce qu'on évite ce qui est arrivé chez nos voisins du ah, Burkina, etc. Mais aussi sur l'occasion, j'ai l'impression que ce sont les citoyens qui découvrent. C'est pas le gouvernement qui découvre l'or, hein. c'est lui qui apprend toujours. les citoyens découvrent le gouvernement interdit. Ce que je voulais dire, l'État peut, peut même instituer, dire que bon, euh, il faut une autorisation qui va coûter telle somme que vous allez prendre au niveau du gouvernorat pour partir sur le site. Maintenant, à ça, on peut faire ça. Et puis, il y a des taxes. il y a des taxes sur l'exploitation artisanale des, des voilà, L'État a prévu des taxes. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Ousmane Sidoukou, journaliste indépendant, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, euh, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, samedi, le forum à Hossa et dimanche le forum en Zarma. Merci à la technique euh, côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Mustafa Ayouba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.